le forum du forum, Kalam, le forum du forum, Kalam, le forum du forum, Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du forum du Studio Kalangou. Studio Kalangou que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, pareil dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Le thème principal que nous abordons dans le forum de ce soir, c'est le défi de l'exercice du métier de journaliste dans un contexte marqué par le terrorisme. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps tenter de finir les termes ou expressions tels que le terrorisme, l'apologie du terrorisme, ou l'extrémisme violent. Ensuite, nous allons dans un second temps faire un bref aperçu de l'exercice du métier de journaliste dans un contexte marqué par, marqué par du terrorisme et les risques qu'encourent les journalistes. Enfin, nous parlerons des mesures de prudence à adopter par les journalistes pour être acteurs de paix et non le contraire. Pour en discuter, nous avons autour de la table Lawal Salaou Ismaël, premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication. Bonsoir à Lawal Ismaël. Bonsoir. Et avec nous dans ce studio, Seydou Djibril, qui est journaliste et indépendant. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Merci à tous euh, d'avoir euh, honoré notre invitation. Bienvenue à tous si vous nous prenez en cours dans le forum du studio Kalangou. Comme vous le savez, le mercredi 3 mai, le monde entier a célébré la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée intervient quelques jours après la publication du classement des reporters sans frontières sur la situation de la liberté de la presse dans les pays du monde. Cette année, le Niger est classé 101e sur 180 pays, mais il perd quand même 9 points par rapport à 2016. Ce n'est pas cela notre sujet du jour. Notre thème de ce soir, je le disais, porte sur le défi de l'exercice du métier de journaliste journalistes dans un contexte euh, du terrorisme. Le terrorisme est un phénomène mondial qui gagne de plus en plus de terrain avec euh, tout ce que cela comporte comme conséquences. Des conséquences qui se traduisent par des pertes en vie humaine, des déplacements massifs des populations et des besoins pressants en assistance humanitaire grandissant. Concernant la définition même du concept de terrorisme, il faut noter qu'en 2003, un groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement mis en place par l'Assemblée générale des Nations unies proposait de qualifier de terrorisme tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants qui a pour objet par sa nature ou son contexte d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à, accomplir un acte ou s'abstenir de le faire. Alors, je m'en vais commencer avec vous, Seydou Djibril, vous êtes journaliste indépendant. que pensez-vous de cette définition du terrorisme, est-ce que vous pensez que cette définition permet de percevoir euh, le concept du terrorisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui ou bien certains aspects sont omis Bon, vous savez, il y a euh, très souvent euh, devant un certain nombre de situations une évolution des concepts, des concepts qui restent tout à fait dynamiques parce que le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau, il n'est pas un phénomène propre à notre société contemporaine et on, on, le perçoit déjà au fil du temps. Mais comme je l'ai dit, euh, ce sont des concepts dynamiques qui s'adaptent en fonction souvent de l'évolution aussi euh, des groupes euh, qui sont en jeu. Et, et, je pense que cette définition telle que libellée répond sensiblement à, la notion du, terrorisme. Il reste que euh, il y a euh, tout euh, un débat autour même de la problématique du, terrorisme. Alors, je me tourne vers vous, Ismaël Lawal Salaw. Vous êtes premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication. Un mot sur le terme terrorisme c'est des spécialistes qui l'ont défini tel que vous l'avez libellé, donc je pense qu'ils ont euh, suffisamment réfléchi pour tenir compte de toutes les composantes justement donc euh, que renferme cette notion qui à la fois euh, vise à effrayer, vise à exacerber et même à, polariser les tensions. De, façon générale, c'est une, une certaine culture de, de la terreur avec euh, pour objectif de faire euh, le maximum de, mal. Alors, <coughs> comme euh, l'a dit Jibril, le, terrorisme, nous, c'est récemment, justement, donc, c'est arrivé chez nous, mais ça a toujours existé de par le monde. Et c'est surtout, justement, donc, en, Europe que les premiers groupes terroristes ont commencé à opérer, avec des attaques sporadiques par-ci, par-là avec euh, euh, des violences urbaines le terrorisme urbain que l'on a connu à un certain moment et qui a repris forme aujourd'hui encore en Europe. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est du terrorisme urbain et il y a des groupes organisés euh, qui agissent, qui sèment la terreur, qui sèment la mort gratuite euh, au nom d'un idéal euh, dont on a de la peine à cerner le contour. Alors justement, on sait que quand on parle de terrorisme, il est difficile de ne pas aussi parler d'extrémisme violent ou de radicalisation, en ce sens que les seconds peuvent être la cause du premier, notamment donc la, radicalisation, l'extrémisme violent peuvent être la, cause donc du terrorisme. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise le plus euh, l'extrémisme violent alors, le plus souvent, on a tendance à se référer à une idéologie. Hein. Euh, ces terroristes-là se réfugient derrière des idéologies. Mais au fil du temps, vous constatez que ceux qui sont recrutés pour mener les opérations, euh, on pense qu'ils ont été radicalisés, qu'ils ont été embrigadés justement donc par euh, ces idéologies. Mais quand on va au fond, on constatera que c'est la précarité dans laquelle végètent ces gens qui deviennent euh, des cibles fragiles, des cibles vulnérables, qui font que très rapidement, ils sont recrutés par les idéologues, puisque eux, euh, les idéologues euh, ne sont pas le plus souvent sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain. Bon, et on suppose que bon, il y a une radicalisation. c'est relatif, c'est relatif. Les gens végètent dans la misère, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont quoi faire et ce sont des cibles faciles pour euh, être recrutés et mener des opérations, des opérations terroristes. Euh, alors, Sedou Gibril, c'est votre point de vue. Est-ce que aujourd'hui, la façon dont l'extrémisme violent et la radicalisation est en train de, gagner du temps, en ce sens que cela permet de recruter euh, des, nouveaux adeptes, est-ce que la raison se trouve plutôt dans la précarité, des gens qui sont souvent embrigadés, ou plutôt ces gens arrivent vraiment à inculquer des, idées euh, qui les persuadent euh, d'adhérer. Il y a une euh, conjonction de, causes. vous savez, devant le niveau exacerbé de paupérisation de nos États, qui conséquemment produit une pauvreté au niveau des communautés, des populations. Euh, vous, avez maintenant, vous avez une frange importante de la population, souvent très jeune, qui reste vulnérable et perméable à ce type de discours euh, euh, d'idéologie violente. Et je suis tout à fait d'accord que le niveau de, pauvreté euh, peut constituer une cause, mais il y a aussi euh, les politiques publiques dans euh, le cadre de leur mise en œuvre parce que souvent elles créent des frustrations, des situations de frustration qui conduisent à une forme d'extrémisme qui devient par la suite violente. Il y a aussi, du point de vue global euh, ce qu'on appelle euh, l'iniquité dans les relations internationales, avec notamment les, euh, les interférences des multinationales, des, des pays puissants. Et cela crée souvent des situations avec tout ce qu'on a connu comme invasion des armées étrangères dans certains pays. ça fait le lit souvent aussi à une certaine forme euh, de violence. Mais euh, pour parler euh, du cas que nous avons dans des pays comme le Niger, très souvent la religion est aussi à l'origine d'une certaine, en fait, une très mauvaise lecture de la religion et euh, souvent à l'origine de cette forme d'extrémisme. Mais le phénomène n'est pas assez euh, élevé au Niger quand même. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle d'extrémisme violent, on, fait toujours référence aussi à, euh, au phénomène euh, djihadiste euh, qu'on a à travers Boko Haram, à travers ACMI. Mais vous savez, le Niger est un pays qui a hérité d'une certaine forme d'islam qui prêche plutôt la paix, un islam, je dirais, confrérique, donc qui est resté soufi, qui était resté qui n'était pas un islam militant mais à partir euh, des années 90 véritablement, peut-être à l'occasion aussi de la libéralisation de l'espace euh, avec la démocratisation, j'allais dire, euh, nous, avions participé, nous, avions participé à, euh, ou disons, nous constatons une émergence d'une certaine forme de militantisme islamique qui très souvent n'est pas très loin aussi de prêcher cette forme d'extrémisme violent. Alors, parlant de l'apologie du terrorisme, on sait que cela peut être défini comme euh, toute action euh, de communication publique présentant sous un jour favorable des actes terroristes ou ceux qui les ont commis. La justification de tels actes est également considérée comme une apologie. Je me tourne vers vous, euh, Ismaël Salaw, premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication. Qu'est-ce qui le plus euh, mérite la désapprobation dans l'apologie du terrorisme, qui euh. peut être commis souvent par des acteurs des médias Alors, euh, l'apologie du terrorisme telle que vous l'avez définie existe un peu partout, justement donc dans les instruments juridiques en Afrique, puisque avec la montée justement donc de l'extrémisme violent, il y a eu des révisions de législation et on a de plus en plus tenu compte de cet aspect. Alors, ce qu'il faut dire euh, par rapport à la mission qui est celle du Conseil supérieur de la communication, de façon explicite, dans les missions qui sont les nôtres, ces aspects ne transparaissent pas. Mais, allez-y. Euh, et de, même que dans la loi euh, portant régime de la liberté de la presse au Niger. Est-ce une difficulté, c'est pourquoi on a tenu compte de juste ce qui est dépénalisé. Et ce qui n'est pas renvoyé dans le code pénal. Dans le code pénal. Alors, et en l'espèce, dans le code pénal, ici, par rapport donc à l'apologie du terrorisme et tout ce qui s'y rapporte, euh, euh, lors de la communication du procureur de la République près le tribunal de grande instance euh, de Niamey, à l'occasion donc du colloque qui a été organisé sur les 25 ans de régulation au Niger, euh, nous avions retenu certaines dispositions que nous nous ignorons. Bon, le CC. on dit que nul n'est censé ignorer, la, loi, mais <laughs> vous conviendrez avec moi, avec euh, le, code pénal, rare en tout cas sont ceux qui, même, même les praticiens ne peut pas retenir tous les articles du Code Et pénal. Et quels sont ces aspects Alors, ces aspects, elle nous a euh, euh, relevé au cours donc euh, de ce colloque trois aspects importants sur lesquels malheureusement les journalistes ne sont pas prudents. Le premier aspect, c'est les crimes de trahison et d'espionnage crimes de trahison et d'espionnage. Le deuxième aspect, c'est les atteintes, les à la défense nationale. Et le troisième aspect, c'est euh, les infractions en matière électorale. Alors, et par rapport au terrorisme, il nous signifiait que de par les dispositions de l'article 399.1.17 bis, que toute personne qui, par n'importe quel moyen, appelle ou incite à commettre des infractions terroristes, incite au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou utilise un nom, un terme, un symbole, des expressions publiques de soutien à des actes de terrorisme et ou des groupes terroristes, diffuse des discours de haine ou fait la promotion d'idéologies favorables au terrorisme, renforce des tensions ethniques ou religieuses susceptibles de fournir une base au terrorisme ou utilise tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation qualifiée terroriste est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à moins de 10 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Ça, c'est la disposition du Code pénal. Et dans la plupart des cas, les praticiens euh, de, l'information, les journalistes, ignorent justement donc ces dispositions relatives justement donc au code pénal. Alors l'on peut comprendre, est-ce qu'on peut comprendre que malgré la dépénalisation des délits commis par voie de presse, cette, infraction, l'apologie du terrorisme, ne, ne pas dedans Les différentes infractions que je viens de citer, les trois, les crimes de trahison et d'espionnage, les atteintes à, la ah, défense nationale, les infractions en matière électorale et ces dispositions relatives au terrorisme conduisent directement en prison directement en prison. Il n'y a aucune marge de manœuvre, à ce niveau-là. Ça veut dire que ça ne relève plus du Conseil supérieur, de, la, communication en matière de, de régulation des, médias. Merci. Un mot, Saïdou Djibril, sur euh, l'apologie du terrorisme. C'est quand même quelque chose de répréhensible. Euh, on ne peut pas, euh, en tant que en tant que journaliste ou même en tant que citoyen tout court, pourvu euh, du bon sens, euh, faire euh, l'apologie d'actes aussi criminels, aussi odieux. Et je pense que c'est tout à fait de la responsabilité des États, des gouvernements, de prendre des mesures assez strictes pour prévenir et puis punir ce genre d'actes. Deuxième partie de ce forum qui nous amène à faire l'état des lieux du journalisme dans un contexte de terrorisme grandissant et les principaux risques qu'encourent les journalistes dans de tels contextes. Nous savons que le Niger étant entouré de pays voisins infestés par la présence de groupes terroristes sur leur sol et l'une des victimes du terrorisme. En témoigne d'ailleurs les multiples attaques de Boko Haram dans la région de Difa, dont l'un des plus meurtriers, celui de Bosso le 3 juin 2016, une attaque qui a fait selon un bilan officiel 32 morts et 107 blessés côté forces de l'ordre, sans compter les dégâts matériel. Il y a aussi les attaques que mène souvent l'État islamique ou Al-Qaïda au Maghreb islamique à partir du Mali contre le Niger. On se souvient également de l'attaque à la voiture PIG contre une caserne militaire à Agadez en mai 2013 qui fait près de 23 morts. La dernière en date, celle de, de qui tue deux gendarmes. Alors on sait que tous ces actes terroristes retiennent l'attention des journalistes nigériens qui s'efforcent dans de tels contextes de donner des informations fiables tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier ainsi que les lois de la République. Par rapport euh, à cela, donc, euh, je me vais euh, Lawali Salaou premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication. Une appréciation, une appréciation de votre part euh, du traitement que font les journalistes nigériens des questions liées au terrorisme. Alors, au niveau du Conseil supérieur de la communication, compte tenu euh, justement donc euh, de la sensibilité de la question euh, du terrorisme, depuis que ça s'est déclenché au Niger, avec les attaques qu'on a enregistrées donc de Boko Haram et avec également donc le Moujaou qui à l'ouest donc opérait quelques incursions. Mhm nous avions institué un euh, monitoring sur euh, le traitement de l'actualité relative donc aux attaques terroristes. Euh, ceci pour voir d'abord le traitement qui est fait par les journalistes. Et dans la plupart des cas, donc, nous avions constaté que les journalistes sont très prudents par rapport au traitement de cette information. On a enregistré, il est vrai, quelques dérapages euh, qui ne sont pas liés directement à, des faits qui se produisaient sur le terrain. Euh, On peut les rappeler alors, est-ce que vous faites référence par exemple à ce qui s'est passé à Gadez et à Zander Voilà, il y a eu des situations que nous avions eu à gérer effectivement au niveau des médias à Gadez, au, au niveau des médias euh, justement donc dans la région de Zander notamment à Magaria, euh, qui sont euh, des situations extrêmement délicates et face auxquelles euh, le CSC avait découvert les limites justement donc des textes portant sur la régulation. On peut déjà peut-être rappeler de quoi il s'agit exactement ces deux cas avant de, quoi il s'agit Le premier cas à Gadez, il s'agit justement donc d'un communiqué qui a été rendu public par un animateur des médias qui appelait les parents d'élèves à venir retirer leurs enfants de l'école euh, à la suite de ce qu'il a considéré comme étant justement donc une attaque terroriste dans la ville d'Agadez. Mmh. Euh, le gouverneur de la région à l'époque donc avait immédiatement appelé euh, le CSC. Et effectivement, donc dans les meilleurs délais, on a mis à notre disposition les différents éléments qui corroboraient justement que effectivement, il y a eu euh, diffusion de tels éléments donc dans, dans, dans, la ville d'Agadez par la radio en question. Et pour Zander Pour Zander, il s'agissait justement donc de la diffusion par les médias des prêches du fondateur de, de la secte Boko Haram. Donc, qui a été le, voilà, donc le fondateur lui-même, euh, quelqu'un s'est amusé à prendre ses prêches et là, donc il y a la responsabilité du média qui a diffusé, euh, mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui ont euh, diffusé et qui, semble-t-il, ont été poursuivis, en tout cas par euh, la justice dans le cadre des actes liés au, et quelle était la difficulté, la difficulté que le CSC avait à l'époque pour la gestion de... Alors, la grosse difficulté, c'est qu'en pareille circonstance, ces médias n'ayant jamais... Euh, puisque dans la hiérarchie des sanctions que le CSC appelait à prendre, on passe toujours par une mise en demeure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le média ait été au moins une fois mis en demeure. Et en l'espèce, ces deux médias-là n'ont jamais eu une mise en demeure. Et ici, vous comprendrez bien qu'il y a une euh, urgence compte tenu du caractère grave, de la situation. Et on était justement donc impuissant, puisque la procédure du CSC voudrait que le responsable du média soit écouté devant le conseil de presse, et quand il est auditionné à ce moment-là, que le rapport qui a été produit soit transmis à la plénière du Conseil supérieur de la communication, qu'on lui retourne le rapport pour produire ses, contradictions, pour euh, répondre. Tout cela demande du temps. Ça demande du temps. Pendant ce temps-là, s'il doit continuer à faire la même chose, vous conviendrez avec moi que les dégâts euh, seront énorme. Et le gouverneur voulait aussi fermer la radio. Justement, et là aussi, le, les gouverneurs n'ont aucun pouvoir de fermer des médias. ça relève exclusivement de la compétence du Conseil supérieur. Au finish, comment ça a été réglé Au finish, on a réglé ça sur le plan de la régulation avec euh, d'abord quelques mesures conservatoires, puisque dans le cadre immédiatement, donc, une information judiciaire avait été euh, parallèlement Puisque nous, on a été saisis, mais nous, nous ne pouvons traiter que sur la régulation. Mais l'affaire était tellement grave, par exemple, au niveau des Inders, que pour le besoin de l'enquête euh, judiciaire qui a été ouverte, donc euh, euh, un certain nombre de matériels de la radio étaient entre les mains de, la justice et eux-mêmes avaient jugé nécessaire de suspendre momentanément donc leur, leur diffusion. Mais après, ils ont écopé effectivement donc d'une sanction euh, de, mise en demeure. Et à Agadez, euh, c'était la même chose. C'était une mise en demeure après avoir rappelé à l'ordre immédiatement justement donc, le média en question. Hum, alors, c'est Djibril, donc, euh, nous venons d'entendre avec euh, le premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication, c'est quelques cas qui euh, s'assimile quand même à l'apologie du terrorisme. On a vu la difficulté que le CNC avait de, de gérer cette situation vu l'urgence, alors que dans la procédure normale, la procédure normale voudrait que euh, le CC commence d'abord par une mise à demeure, alors cela met, en à nu euh, l'insuffisance souvent de, la réglementation ou pas Bon, avant ceci, euh, j'aimerais dire que, vous savez, dans un contexte particulier comme celui de la couverture des événements liés au terrorisme, il y a un grand défi pour les journalistes le journaliste doit être une source fiable d'informations dans ce genre de situation. Et pour être une source fiable, le journaliste ne doit pas euh, relayer, euh, il doit savoir euh, faire la différence entre les faits, entre l'information, la rumeur, la légende et, d'autres choses que les gens racontent. Donc cela renvoie toujours aux règles élémentaires de la pratique du journalisme euh, c'est-à-dire qu'une information euh, doit euh, forcément être vérifiée avant d'être diffusée. Mais aussi, souvent quand on parle de, de la pratique journalistique, on a tendance seulement à insister sur ce qu'on appelle le droit à l'information. Mais on néglige aussi un aspect qui est le droit d'être informé. C'est-à-dire que le citoyen qui est le consommateur, le destinataire de l'information que produit euh, le média ou que diffuse le journaliste, lui aussi, il a le droit d'avoir une information de qualité, d'avoir une information qui ne soit pas de nature à créer la piscose, euh, j'allais dire, sur la base de faits non vérifiés euh, à son niveau. Donc, cela veut tout simplement dire que euh, les journalistes doivent davantage révisiter les, principes élémentaires de leur métier. Mais vous savez, euh, j'ai parlé tantôt d'un contexte particulier. Les journalistes ne doivent pas également se faire l'économie euh, de s'approprier un peu euh, de la question, d'où l'importance aussi d'avoir des professionnels des médias qui se soient spécialisés sur le sujet. Mais vous savez, euh, c'est comme quand il y a eu les attentats euh, terroristes en France récemment, c'était d'abord un match que toute la France suivait. Et donc c'était des journalistes sportifs et même au Bataclan, c'était euh, souvent des journalistes culturels qui étaient. Donc qui n'étaient pas des gens, euh, euh, j'allais dire des journalistes sensibles au terrorisme, mais c'était eux les premiers à traiter de la question pour dire qu'il y a des principes élémentaires basiques qu'il faut privilégier, c'est euh, d'avoir une information vérifiée, mais même la diffusion, de mesurer de, la responsabilité, euh, l'impact entre euh, diffuser une information. Alors, un, mot, un mot par rapport au cas qu'on avait cité, en tout cas de qui ont été relevés par le CC à Zander et Agadez, bien que ce ne soit pas des. Oui, ça, pose, ça pose tout le défi. Ça pose tout le défi de la de la régulation des médias au niveau euh, national. Vous savez, euh, il y a un dispositif juridique que Ismaël euh, évoquait tantôt, mais du point de vue concret, du point de vue de la pratique, il y a beaucoup de défis. Et parce qu'aujourd'hui, au Niger, vous avez plus de 200 radios qui émettent. Euh, si j'ajoute les radios communautaires, et c'est un défi énorme. Le, CSC, naturellement, n'a pas actuellement les moyens de pouvoir euh, contrôler tous ces médias. Et Dieu seul sait euh, ce qui est diffusé. Maintenant, c'est qu'il y a besoin d'inviter les professionnels des médias à un surcroît de professionnalisme dans leur travail. Le professionnalisme veut dire que les gens doivent savoir que euh, parler sur euh, un média ah. ou écrire, on ne parle pas pour soi-même, on n'écrit pas pour soi-même, et donc on doit mesurer euh, ce qu'on dit ou ce qu'on diffuse ou ce qu'on écrit. Alors, on sait que dans, justement la couverture médiatique de, ces genres d'actes qui peuvent survenir, les journalistes courent, énormément de risques. Euh, à votre point de vue, Monsieur euh, Salah Ismaël, quels sont les principaux risques que qu'encourent les journalistes je, donne juste le, cas du correspondant des RFI qui est condamné, du correspondant des RFI en Hausa au Cameroun, qui est récemment condamné à 10 ans de prison. Euh, ici au Niger, les principaux risques qu'encourent les journalistes c'est l'exercice de leur métier euh, lié au terrorisme sur les questions de terrorisme, il faut dire que à la suite justement donc du monitoring que nous avions effectué, que les journalistes nigériens sont de plus en plus prudents sur euh, euh, ces questions délicates. D'abord euh, parce que pour la plupart ils n'accèdent pas au terrain et pour accéder donc au terrain en pareille circonstance, il faut chercher une autorisation, il faut se faire encadrer, il faut se faire accompagner. C'est la moindre des, choses. Euh, deuxième élément, euh, il me semble que dans le cadre donc de la gestion des questions sécuritaires, euh, de plus en plus, à ce niveau-là, on informe, même si l'information n'est pas instantanée. Parce que le journaliste, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est à la seconde près que vous avez une information. Et c'est pourquoi ce que vient d'évoquer Jibril est, très important. La source de l'information. Puisque aujourd'hui, n'importe qui peut poster sur euh, une page Facebook, sur un machin, une situation qui se passe à DIFA. Et qu'un journaliste peut exploiter comme étant une information fiable, sans avoir procédé aux vérifications euh, essentielles. Alors que la source de l'information, vous le savez autant que moi, est très importante en, en pareille circonstance. Alors, du fait donc de cette prudence-là, les journalistes euh, nigériens euh, courent moins de risques, puisqu'ils cherchent l'information là où il faut. Il faut aller à la source de l'information, à défaut d'avoir le terrain. Et si on a le terrain, puisque prendre le terrain aussi, il ne faut pas prendre des risques fous ça à la perte de la vie. C'est un terrain de guerre. C'est un terrain de guerre. On n'a pas à s'exposer